Oui, Louise, Valentin. Quand nous Khawle le 1er octobre. L'international Youssou. joyeux anniversaire. Youssou, hein, de la part de Chamley, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. اسجد له بدموت اللوسي يسنور ما akne

ɓayire kimoɗon num ɓe gandu ɓe kimmoɗon num marise yusu kamle mumle ñanal joyeux anniversaire de la part de Chaplain happy birthday, Mr. Youssou Happy birthday to you. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire à l'international, à Youssou et de par ma voix, en tant que chef d'orchestre de la troupe Ngausen de Gilas, we wish you a happy birthday, long life, health, happiness and successful happy birthday Sénégal sénégalais fu ngeen toll ci àdduna ndar ndar bu mag baa ngi nii toog ñëw jàkkaarloog yéen tey di dimanche vidéo bi nag spécial la du live waxuma ci politique classe ma kenn defuma lenn lu dul ñëw di sargal di delloo njukkal ponkal boo xam ne si ah, icône la ki nga xam ne moo jël musique Sénégal yóbbu ko fu ci àdduna mooy le seul sénégalais boo xam ne du ca chinois ya du ca espagnol ya du ca mexicain ya du ca australien ya du ca nigérien ya du ca ivoirien ya mais koo xam ne dafa jël globe bi ah téye ko ci loxoom fu mu jaar fa def fois le tour du monde artiste boobu tey jii la anniversaire am Youssou ma jigéen gaynde wah nga lay wax toujours dama naan la sa dund dafa am njariñ <laughs> delloo nga ma ko doo gën a gore nduur daaw nee naa la sama anniversaire dama toog ba heure bi vingt heures sama téléphone bi sonné ma yaakaar ni ku ne la ci àdduna ma gis photo ba taxaw ne ma happy birthday ne ma gaynde sa dund dafa am njariñ ñaanal ma mais dafa nga ne mën nga ma gën a gore man loolu du am Nur fa boli xam nga lu ma lay wax maam mari lam dund dama bëgg nga dund ba dund lu romb loolu rombati ko xaw ma ndax dégg nga ma wala deet yow yuusu ah. ilimaan ak ndey soxna dama bëgg ngeen romb dund yooyu romb dund tay nag yaa ko ndur fa boli doo ma gën a gore kay di la ñaanal yaa ñaanal sa bopp sawaay senegal njukkal lañ la yoral senegal ku la respecté wul ku la disrespect dafa xamul rek luy dëgg te nangul dëgg wala bëggul dëgg Youssou fa nga yóbbu Sénégal kenn yóbbu ko fa du ben président de la république waaw président yi am yëpp am na réew yoo xam boo ko demee tudd seen tour xamuñu leen waaye boo ne Mr Seven Second nga ne Youssou Ndour ah ah boo ne Youssou Ndour sax Seven Second lañ lay tegal muy way boo xam ne danga koo taxal way ko te koy bind di ko teg yaag ne ne chéri xama woon ne dina am résultat bi mais mooy sa sa sa sa brand quoi mooy sa mooy loo xam ne foo ko tegee rek xel mi ñëw ci yow boo ne Youssou Ndour ñun la Seven Second kooku tembar la gaynde sawaay xoolal sa dund <laughs> gaynde dafa am njariñ waaw bërki démb yaa ngi Paris waaw même bu ñu fa nekkuloon gis nañ lépp maa ngi sant di gërëm di remercier Saint-Louis Mané Saint-Louis Mané xam na lu tax ndax moom dafa mel ne moo ma nekkaloon Paris waaw tabat moo xam nga fu ma ne rek gars yi dañ ma fay nekkal ak ku mën a doon ak lu mën a doon dañ ma fay dekkal donc euh, nga def fa spectacle bu bu bu am solo muy innovation muy euh, musical boo xam ne si dafa taxaw ñu ñëw delloo si yu su wone dem ba ci tubaab yi won leen ñun suñ buur yi doon doxee muy birima bi nga xam ne si ah, wër na àdduna tubaab yeeg américain yeeg australien yeeg chinois yi ñu ngi naan kan mooy Birima waa ñi ñëw taxaw ne leen tey laa di présenter ne kan mooy Birima l'histoire de Birima parce que buñ koy wax ci way wi da ngay dégg Birima Birima Birima Birima mais l'histoire de Birima ma ban génie moom moo leen dikkal ah ba moog Pape Omar Ngom ñu taxaw taxawal spectacle boobu réaliser ko à Paris pour ñetti fan. gis nañ sax ñu ñëw jéem a yàq spectacle boobu mais waa ji dafa nekk punkal <laughs> li la gis nga waa ji bokkul ak ñoom dafa jël micro bi dékk leen bàyyi seen message jàll jàll la ngeen seen message bàyyi ñu def suñu spectacle jeex na takk ñee naroon ñëw di dis dafay action de disturb ñoom ñëpp ñu normal ñëw toog goûter spectacle ñoom seen bop après dam yeneen trois jours yi mu spectacle boobu je pense dinaa leen ben video euh, vidéo ci fin bi boo xam mu ko interview boo xam mu ngi ko def ci brutus ok am tontu yu am solo yoo xam ne Youssou tontu na fa ci spectacle bi tontu ko ci li nga xam ne si euh, ci action politique am voilà parce que tawee ci ginnaaw génn naa ma wax leen booba waxagul sax man len dimension artiste bi dimension euh, personnage bi mayu ko ñu diko tanal même bu dee day retourner wat à la base il doit reculer talk hall analyser le panorama lan lañ koy proposer ak ñan lañ koy proposer mu ñew né diw lay jàppale ok mais du ko xamné dañuy tok né ko ok jàppaleel ké bu kooku sauter euleuk mom lim def Sénégal lim société yi et tout il ne peut pas se permettre de mettre en risque toutes ces choses-là hein, pour une question politique donc il faut que nous comprendre quatre mois dimension bi nga moy borom anniversaire tay bi ko ne dundal dundal dundal dundal dundal ba waaw ba sa jar la voilà donc loolu dinaa ko tegal ci fin bi mais pour delloo si leen euh, waa ji dafa woy Birima wër moom àdduna woy bi am succès mais xam nga ku dul se ku nekk Sénégal ñi nekk Sénégal sax réellement xamuñu l'histoire de Birima bi ñu lay wax bu waxee ren balaa wax ci dewan ñu koy dégg woy bi neex mais idée ñëw xalaat ñëw mu mën a ñëw taxaw tegal leen l'histoire de Birima jël ay woy di ko ca teg te da ngeen di déglu woyam ca woy yoo xam ne waaj yi ñu ngi koy laaj sax ci bruit boobu mais man bu ma ko nu posé question Youssou lu ma la laaj mooy lan moo la dese lan nga woyagul waaw parce que dañ ne woy nga woy ngelaw li mais lan moo la dese parce que inspiration da ngay ñëw ne woyu mooy woon ci lii technologie wala nangam nangam woy naa ko réseaux sociaux yeeg dangam ne lépp lu bees waxuma laa yu yàgg ya mu ñëw delloosi leen ci birima boobu l'histoire ah roi yi nan lañ doon dundee l'histoire nga xam ne américain ba français ba que espagnol ba ak ñëpp daañ xam l'histoire de Birima delloo si la jeunesse sénégalaise ñu xam lan mooy suñ background suñ euh, histoire delloo si histoire loolo tax artiste am solo solo artiste mooy loolu aussi di ñu delloo si di ñu fàttali démb parce que géwal yi ñuy wax gis nga géwal day taxaw géwal moo lay nettali li xewoon ci say maam man moo tax wayi bu ñuy way bay tagg nit bu ma déggee yuusu di way tag net, wala Pape Diouf toog di way nit di ko tagg di ko tagg ba tagg juróom-ñaari maamam day neex waaw parce que seen maam yooyu dafa am lu ñu defoon tey nga way leen ñoom rek ci ci tur dafa yomb mais il faut nga développer que undi histoire bi waaj ñoo ñëw ci spectacle ba won leen ko et je pense comme ni mu ko waxee ci brut ci ci brut boobu ah euh, spectacle dina ko yóbbu ci aduna yop dina dem aux États-Unis j'espère que mu ñeu Italie bi parce que man j'ai pas eu l'occasion d'y aller dem Paris fekke ko mais mu rek moom àdduna parce que liguey biñ ci liguey mo am solo. 40 éléments ñu tek leen ñom ñep ñu wacc ci France kenn ku ne am ay rôle ñu jouer wadi ñeu yor micro bi di leen wayal ay way yo xam ne ah, bu ngeen defee attention ngeen am analyse yu ngeen ciy def ngeen war ko déglu da ngeen ci dégg loo xam ne la jeunesse bu tey bi dinañ jàng ci seen démb ci seen ay maam ak lépp parce que l'histoire li ma leen wax ci géwal yi géwal moo lay nettali sa histoire moo lay nettali sa démbi maam ñu war leen a sargal war leen a yëkkati donc yu ak gars yu àndal buñ amee xalaatu def lu mel noonu ah vraiment day nekk loo xam ne si ah day day naay sawaay xam nga lu ma lay ñaan Dakar Arena ba nga tegoon ba mu fees gannaaw def nga bersi ah defoo ko Bercy bi mais boo ñëwee indi spectacle bi ah Sénégal dañ ko war a goûter les jeunes là ngay yé ci aduna dañu wara taxaw ñom ñëpp ñëw Dakar Arena ñu hein spectacle boobu muy conte muy lepp bo xamné genre lepp la raconter l'histoire de Birima bi Youssou Ndour di way way nako ci façon bu né way nako kay rappeur fu nekk dugal dañ fa Birima mais à la fin xam nañ l'histoire de Birima waaw koku gaynde gi nga xamné tay la anniversaire am di ko ko souhaiter Youssou di lañ ñaanal Youssou ñaanal nga sa bopp ba pare mais yàlla mi dara tewul yàlla la gën a yàggal suñ kanam yàlla may la wér yàlla may la tal Youssou ba année bu nekk ñu di ko féete waaw di ko ñaanal suñ yaay jooju ndey soxna mbubb di ko ñaanal suñ bàyyi Elimaan Youssou yàlla na nga dund ba set yi di la weer yàlla dina ko def ndax sa dund dafa am njariñ am na ñoo xam ne ils ont des inutile mais am na ñoo xam ne ils ont des vies yàlla daf la boole ci ñoon du loo bëgg mais yàlla moo la ko def kum neex baax na kum naqari demal nga màtt mur bi donc lu may def mooy wan leen quelques images li nga xam ne si euh, xew na fële ci Paris euh, image yoo xam ne spectacle boobu comme ni mu ko waxee ci euh, interview mi leen war a tegal à la fin te Youssou di la ñaan waa Brit bu ñu waree bëgg a bëgg rek. histoire bi ak interview bi ñoo def mu gën a yaatu àdduna yëpp gën ko mën a dégg moo tax tey ma jël ko ci ñoom war ko proposé waat fi ñu teg ko ñu dégg ko jël ay séquence ci spectacle ba di ko xaar nga war ko def ca Ndakaaru Njaay Sénégal yëpp war a wàcc si Dakar Arena la parce que yu affaire bi Dakar Arena rek la xaj ah, xajul ci ay yenn euh, ay ay ay grand théâtre rek yooyu dafa tuuti dakaar Arena ubbi waat ko toj ko ak spectacle bi indil gaa yëpp ñëw na dem États-Unis na dem Australie na dem fu nekk parce que lu mel nii dafa naa kenn mus ko créer bu ko neexoon def concert yi rek ak super étoile mais dafa dem ba jël empêchement bi mu xool boo gisee job bi xam ne kii job bu ngand moom ak super ak quarante éléments yi xam ñoom ñëpp interagir nañ ci spectacle bi muy musical boo xam ne si mais c'est implacable waaw man séquence yi mu ci yónnee rek daf ma émerveillé wu donc yooyu laa bëgg mosal leen ci tuuti di ci sant Saint-Louis Mané xam na lu tax waaw di nuyu ñoom ñëpp euh, Maradien ak gars yëpp maa ngi nuyu ñoom euh, Bouba Ndour ak gars yëpp ñi nga xam ne ñëpp liggéey nañ ci projet boobu di ci encouragé xam ne def ngeen liggéey bu am solo bu am solo voilà artiste nii la war a dem artiste day complet mënoon ñëw taxaw dañ ne super étoile lay tëggal fu ñu tëgg mu plein mais nga dem di créer yu mel nii di raconter l'histoire di yéexale yi di won euh, nasaraan si ak euh, lu mën a doon notre histoire l'histoire de Birima def naa ne di ngeen ci gis séquence yi après tëggal interview nga xam ne brut ñoom ñoo ko def voilà sàcc naa seen ay image yu buñ ma nar a créer yow laay woo de gars yaay wax ak ñoom dañ la xoolal pour mu yaatu kese la donc gaynde di la vraiment ah di la souhaiter joyeux anniversaire waaw yàlla bàyyi la suñu kanam ñu yàgg di la ko souhaiter voilà lii devoir la woon pour pour man ma def ko parce que doo ma gën a ko rek nee naa la daaw fii la toog jël téléphone moom Youssou Ndour woo ma di ma ko souhaiter mais sa waay dinaa bàyyi loolu muy jàll déedéet di dem waaw mag yi magi Aby Ndour Dieng magi euh, euh, Seynabou Ndour mais magi Ngone Ndour mais magi Bouba Ndour ak dégg nga maam ah euh, nu mu tuddati <laughs> donc bàyyi Birane du ma la bàyyi noonu. di la ñaanal kese laay def di ñaan Sénégal yëpp ku gis video bi muy def dama bëgg ci commentaire yi nga ñaanal ma Youssou Ndour ah yàlla bàyyi ko ci kanam. baca kanam makana makana makana makana makana makana waaw kay ba ay atam sud ati maam mari ndóor wax day am fin xanaa kon nag ñu xool séquence yoo xam ne ca pare ak interview bi Youssou amna na tontu yu mu fa tontu sax ci eh, li nga xam mooy politique bi mooy décision bi xam dina ko jël mais gaynde maa ngi lay ñaan nag boo ci xoolaatee xoolaat xoolaat boo nekkul candidat ñëwal nga jàppale Amadou Ba ko ah c'est entre nous wax day am fa <laughs> ngeen sama ñaan la parce que man amul laa jàppale ah voilà fekkee ma ci boole nag mu ngi fu ne fekkee ma ci boole man maa ngi ca biir fu mu taxaw dinaa ko taxaw lu ñu def dinaa ko yëkkati dinaa ko wax dinaa ko def waaw mais laay Laye Botel donc nag yu moom nee naa la la mbokk lu mbokk maa ngi ca biir ñaar ñii laa doon wax yàgg nañ ko ku ma xam xam nga ma Youssou Ndour ak Macky Sall kenn du leen laal ku leen laal laal nga ma. ku ma bëgg dégg rek touchel ma ñaar ñoon donc ñooñu luñ dugg rek maa nga ci biir waaw makee nga ca amadou ba yuusoo nga ci fekkee ma ci boole maa nga ca amadou ba maa ngi ci fekkee ma ci boole xanaa wax day am fin yu yàlla na sa fan gudd gaynde yàlla nañ toogaat fii déwén déwén yu bari di la ko souhaité peace and love da nga ko mérité sa dund dafa am njariñ xaadim ngay teewee la tudd boo ci bindul woon na nga ko def nga abonné ci chaîne bi activé cloche bi vidéo buñ dugal nga dégg ko pace e bene peace and love guys in the world super étoile maa ngi souhaité tam mbay Gueye fay sa jumeau boobu tey jii la mbay yow it gis nga su gaynde li ma ñaanal yu laa lay ñaanal Mbaye Gueye Faye yàlla na sa fan gudd yàlla na nga dund ba sa sët di la weer laa la wax jumeau bi duñ la fàtte ku ne yuusu nee nga Mbaye jumeau bi mu ngi noonu donc luñ souhaité yuusu rek laa lay souhaité gaynde wax day am fin ni ma koy waxe caw di jib thank you Amadouba euh, comme candidat. Euh, est-ce que c'est une personne que vous soutiendrez éventuellement Pour le moment, je ne peux pas vraiment me prononcer. Youssou a tellement chanté de choses qu'elle a même chanté le vent. <laughs> Est-ce que Youssou est milliardaire I'm happy man. C'est une question très très difficile. Brut, brut, brut, brut, brut. Il y a quelques temps, on s'est croisé au Kenya lors du sommet Mo Ibrahim à Nairobi. Et justement, je vous disais que votre présence là-bas confirmait votre double casquette d'artiste, mais également d'homme politique. Et là, il y a quelques temps, vous avez euh, renoncé au poste de ministre conseiller du président Macky Sall. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que la politique, c'est fini pour vous euh, Non, la politique n'est pas finie. C'est euh, la fin d'un compagnonnage qu'on a eu euh, au niveau de beno Bokuyaka. Il était normal que j'aille le voir, je suis allé le voir et j'ai démissionné de mon poste de ministre conseiller euh, pour nous projeter vers l'avenir. Amadouba, euh, comme candidat, est-ce que c'est une personne que vous soutiendrez éventuellement si elle se présente à la présidentielle Nous sommes en train de faire notre point et sur la prochaine présidentielle, nous venons juste de sortir de la coalition et euh, de l'État. Donc nous sommes en train de faire le point, le bilan. Et après, on va bientôt communiquer sur euh, ce qu'on va faire exactement. Donc pour le moment, je ne peux pas vraiment me prononcer. Qu'est-ce que ça vous a appris finalement sur vous-même ou sur la politique ces dix années passées euh, auprès du président Macky Sall et dans la politique en général Moi, je suis arrivé en politique par accident en, 2012. Et donc après tout ce qui s'est passé, il m'a demandé euh, de venir travailler avec lui euh, par mon expérience et tout. Après, j'ai continué. J'ai gagné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience et, euh, euh, je pense que euh, ça nous a beaucoup, beaucoup servi. Quand on dit le nom Youssou en Europe, en Occident, les gens font tout de suite une référence à Seven Seconds. Et vous-même, à l'époque, vous disiez que vous n'aviez pas fait que ça. Mm. Birima en est la preuve, Gorghi mm. Gorgi également, des, des, des chansons qui sont remplies d'enseignements. On ne sait pas quand est-ce qu'une chanson va toucher ou pas Vous écrivez et après il y a une chanson qui sort du lot, comme Seven Seconds l'a fait, comme Billy l'a fait. Euh, oui, nous sommes euh, toujours euh, en train de, composer, de chercher de nouvelles idées. Après plus de 45 ans de carrière, presque Youssou euh, où est-ce que vous trouvez encore l'inspiration pour écrire de nouvelles chansons remplies d'enseignements. Je me rappelle un de vos animateurs qui travaille chez vous, euh, Diallo, disait que Youssou a tellement chanté de choses qu'il a même chanté le vent. <laughs> Comment après 45 ans on trouve encore de l'inspiration Mais euh, euh, Dieu merci, quand on a une passion et que cette passion-là devienne votre métier, c'est pas donné à tout le monde. Dieu merci. Donc on est passionné, tant qu'on est passionné, tant qu'on a de l'inspiration, euh, on cherche. Et puis bon, voilà nous avons l'habitude toujours d'amener de la nouveauté, de, de, de, l'originalité. Donc, euh, c'est ça notre chasseur d'os aussi, d'aller chercher des nouvelles idées pour les amener dans la musique, renouveler les choses. Nous n'avons pas écrit plus de 500 chansons rec, euh, et après on s'arrête. Non, on continue. Et c'est ça aussi qui est, qui est important. Mhm. Et Birima, justement, on en parlait tout à l'heure en off, c'est l'une de vos chansons les plus mythiques. Et aujourd'hui, votre compte musical, vous lui donnez le nom de Birima. Pourquoi Il est important, euh, par ces temps qui courent, de rappeler toujours comment fonctionnaient les choses avant. Nous, on connaît les contes, on a, été bercé par les contes, et tout cela euh, qui nous inculque des valeurs, euh, qui amène euh, de la communication entre les gens. Et ces choses-là dont on a besoin, la nouvelle génération doit euh, comprendre cela. Et c'est pour cela que nous avons utilisé le conte, le, le, bon conte, parce qu'en fait, en réalité, la comédie musicale est arrivée après les contes. C'est quoi le concept et comment vous est venue l'idée de, ce conte musical Birima Le roi Birima Ngonelati va inviter son peuple et parler avec eux. Parce que vous savez que euh, ne parlait qu'une fois par an. Quand le jour arrive, les gens, ils viennent avec euh, des problèmes dans la société et ils doivent les régler. Donc c'est euh, cette rencontre-là que nous avons euh, eu à interpréter avec des acteurs, des, des, des, des gens vraiment très bien, des danseurs et tout. Et nous, nous avons euh, chaque fois mis une chanson du Super Étoile euh, connue autour euh, de ce conte. Et nous l'avons conçu lors de la pandémie, hein, parce qu'à ce moment-là, on était en train de, de, chercher des nouvelles idées pour que, après la pandémie, qu'on puisse arriver avec quelque chose de nouveau à proposer dans la scène culturelle. Et vous produisez ce spectacle en France. Est-ce que vous comptez le déplacer après dans d'autres pays oui, euh, l'objectif ici, c'est une présentation où il y a beaucoup, beaucoup de promoteurs qui, qui, qui déjà nous invitent tout le temps, euh, qui vont venir pour voir ce nouveau spectacle. Et évidemment, ça va aller un peu partout. Vous dites le Sénégal et l'Afrique en général est riche d'histoire et la modernité tend à mettre en péril ce patrimoine. Vous pensez que ce patrimoine n'est pas assez mis en avant Tout est priorité. Autant euh, la modernité, euh, euh, la création nouvelle, toutes les choses comme ça, les tendances sont importantes, mais autant aussi l'histoire, le patrimoine, est important. Il est temps que l'histoire soit racontée à, euh, nos jeunes. Et je pense que aussi, euh, dans ce cadre-là, beaucoup de gens essaient de faire revenir des choses, que ce soit dans le cinéma, que ce soit même dans le rap, dans la musique, voilà, énormément de choses. De quoi vous êtes le plus fier aujourd'hui c'est une question très, très difficile. Euh, je suis euh, fier de mes parents. Euh, parce que je ne peux pas dire que je suis fier de moi, je suis fier de mes parents parce que m'ont bien éduqué, m'ont bien accompagné et sont toujours là à prier pour moi. Et je pense que euh, ils ont cru à, ce que je leur ai dit par rapport à ma passion et ils m'ont accompagné. J'ai eu à euh, réussir beaucoup, beaucoup de choses. Ensuite, bon, le Sénégal qui m'a vu euh, commencer à 13 ans et qui m'a accompagné. Commencer la musique à 13 ans, très très jeune. Et aujourd'hui, après toutes ces années de carrière, est-ce que vous avez encore gardé des souvenirs de cette époque ou un souvenir particulièrement qui vous a marqué durant votre jeune carrière oui, bon, je me souviens euh, du jour où mon père m'a donné l'autorisation d'aller faire de la musique, parce que je, faisais de la musique en cachette. Euh, j'ai même raconté quand j'étais en Gambie et qu'on m'a fait revenir et tout. Et euh, ce jour-là, j'étais avec mon oncle Abdurrahman Diop pour que mon père dise Ah, d'accord, maintenant tu peux aller chanter, tu peux faire. Je suis sûr maintenant, c'est tu peux aller à l'école des arts, etc. Ce jour-là, je l'oublierai jamais, parce que c'était l'envol. Euh, tu vois, euh, parce que c'était un, grand problème pour moi entre mon père qui insistait pour que je continue mes études et moi qui étais passionné pour faire de la musique tout de suite commencer, Il n'y avait pas consensus en tout cas entre ma, mère et, mon père sur, euh, sur l'autorisation. Ce jour-là, j'étais très très très content content et très. Euh, voilà, j'étais. à euh, was ready. Quelle est la première chanson de Youssou Est-ce que vous-même vous en rappelez Oui, la première chanson de Youssou c'est euh, Papa Samba Diop. Mm-hmm. Papa Samuel Diop, parce que je venais juste d'avoir cette autorisation de mon père pour faire la musique. Et euh, euh, on venait, euh, Mbaye Faye et moi, d'arriver dans, un dans un orchestre qui s'appelle le Diamono, c'est pas le Super Diamono, avec tonton Charles Diop. Et automatiquement, quand on a commencé les répétitions avec eux, et, on a appris le décès de Mba qui était l'icône de la musique sénégalaise, Papa Samba Diop. Et après, un hommage a été organisé à saint luc Et euh, tonton Charles, qui avait l'orchestre nom nous a dit préparez-vous, dans deux semaines, on va aller à saint luc pour rendre hommage à Mba. Et donc, euh, et là, moi, je me suis renseigné sur Mba et j'ai tout de suite sorti cette chanson, euh, Ndargué ma papa Samba Et à travers d'ailleurs ce show-là, hein, la radio était là. Et c'est ça qui a lancé euh, ma carrière, c'est ma première chanson. Mhm. Vous avez cité tout à l'heure une personne euh, qui vous accompagne tout le temps, qui est tout le temps aux côtés de vous, Baye Faye. Euh, aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui diriez à la caméra de Brut Non, Baye Faye est généreux dans ce qu'il fait. Et la générosité, c'est ça l'art. C'est un compagnon avec qui nous avons si on est le monde, mais vraiment si on est le monde, ça ne veut pas dire entre euh, les avions seulement, mais aller euh, partout, découvrir des choses ensemble et tout. C'est, euh, c'est un, je, le dis tout le temps, c'est pas un percussionniste, Baye Faye. Baye Faye, c'est un musicien. C'est-à-dire, autant Baye Faye, il peut jouer voilà, avec les baguettes, il peut jouer avec euh, la main, il peut jouer de la batterie, il peut... c'est un musicien. C'est quelqu'un des fois qui arrange des choses pour des guitares qui n'ont rien à voir avec son instrument. Grand monsieur Babacar, moi, je l'appelle Babacar. Babacar. <laughs> Aujourd'hui, au Sénégal, il y a aussi une nouvelle génération euh, qui, grandit, qui est très talentueuse. Je prends l'exemple d'un certain Mohamed Véji, qui n'a que 19 ans mhm. et qui aujourd'hui remplit des, stades. Ça vous fait quoi de voir cette nouvelle génération Mais ben, je suis fier d'eux. Je suis fier d'eux. Il y a non seulement une nouvelle génération, mais il y a une certaine diversité dans ce qu'ils font. Et euh, je pense qu'ils ont un background vous savez, nous, quand on est arrivé, euh, on, a construit, après les Khalam 2 et autres, nous, on a construit ce qu'on appelle la musique urbaine euh, sénégalaise. La nouvelle génération qui vient d'arriver a trouvé ici quelque chose. Si vous allez aux États-Unis, la nouvelle génération reprend les choses de 18, 1960. Euh, Donc, la même chose est valable pour nous. Donc nous avons eu à mettre en place ce patrimoine-là, c'est pour eux. Donc avec tout ce qui se passe maintenant avec le, développement des nouvelles technologies et toutes les choses comme ça, je pense qu'ils ils, ils, sont bien armés. Bon, euh, j'aime pas le mot armé dans la musique, mais ils, ont le bagage nécessaire. Euh, nécessaire, le bagage nécessaire. Et euh, c'est pour cela, voilà, que ça, ça, rayonne et euh, je leur demande tout le temps d'aller encore plus loin, euh, d'être euh, concentré, de travailler, parce que le talent seul ne suffit pas. Aujourd'hui, est-ce que vous avez encore des rêves que vous souhaitez réaliser Je dirais, <clears throat> moi, ce qui m'intéresse, c'est l'Afrique ce qui m'intéresse, c'est l'Afrique parce que l'Afrique euh, intéresse tout le monde. L'Afrique est riche, l'Afrique est, noble, l'Afrique est tout, mais l'Afrique aussi souffre énormément. Quand aujourd'hui on voit des jeunes prendre des bateaux et autres, on se dit que ce monde de la gouvernance-là aussi euh, est déséquilibré. Donc l'Afrique a besoin d'avoir euh, des gens là où les grandes décisions se prennent. Mhm. Et euh, ça, c'est un de mes, de mes, de mes, de mes combats depuis plusieurs années d'ailleurs. Et ça passe par la communication. Notre message envers euh, les dirigeants du monde, c'est cela. Envers notre jeunesse, c'est cela. Mais nos préoccupations aujourd'hui, c'est le continent. Le prochain groupe musical, on peut s'attendre à Gorgi oui, mais déjà, il faut que ça. Euh, on compte lui donner beaucoup euh, euh, de de vie, beaucoup de durée de, vie, et après, on verra. Mhm. Mais pour l'instant, c'est le, le compte musical habillement mhm. et éventuellement un nouvel album qui va sortir par la suite. Merci beaucoup pour cette C'est moi, c'est moi, brut, brut, brut, brut, brut. Paco Margot, il va dire ici, Madiao, Madiao le metteur en serre. Bon, on a assez expliqué euh, ce projet avec la presse, les médias et autres. Donc c'est une idée qui est venue durant le confinement. On a eu cette idée-là de joindre l'histoire et les temps modernes avec ce que nous avons écrit comme chanson classique. Et nous avons rencontré ce garçon-là, Madjao, le allez. Et depuis deux ans, c'est, je dis 45 personnes parce qu'il y a des gens derrière, ont travaillé pour ce projet. Et euh, sais pas. Pour nous, pour nous, vraiment, on remercie le chapelet parce que c'est la première. Et je sais que vous êtes nombreux à venir voir ce spectacle. Et nous pensons qu'après la sortie de toutes ces difficultés-là, qu'on arrive avec de la nouveauté. Et je ne vais pas m'en arrêter là parce que le projet a une marraine. Vous savez, on n'oublie pas. Le projet a euh, sa marraine, qui est petite, petite fille de, de, Bim, hein, qui est là, à Stumbay qui a été là dès le début. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et salutations. Merci beaucoup. Merci beaucoup.